Thank you. perte bi nga xamné am nañ ko acte décès de madame Maïmouna Kane qui a vraiment joué un rôle essentiel dans la promotion de la femme sénégalaise euh, ñaan yalla xare ko àjjana ñaan yalla yërëm ko te euh cette journée sera marquée également par sa disparition ñu koy lu ñun ñëpp dika ko et c'est une journée également qui va être marquée par son décès mais également daf ñu wara daf ñu war a ñaax ci ci lan mooy li mu liggéey moom waruñu ko bàyyi mu nax saay ba tax na toutes les femmes sénégalaises et à travers le monde war nañu chaque année ñu taxaw seetlu tuuti lan la ñu liggéey ci année bi def benn évaluation xool itam pour liy nar a ñëwaat vraiment fan la ñu war a mën davantage mettre l'accent saluer également euh, vraiment li nga xam ne chef de l'État moom la jox cër jigéen ci Sénégal sont xoolee ministères yi nga ce sont des ministères je ne dirais pas de souveraineté mais ministère la yoo xam yu am solo ci réew mi ki yore jigéen yore xale def naa yor également euh, ministre d'État madame euh, Eva Marie la conseillère spéciale Aminata Touré euh, Aminata Mbeng Ndiaye qui a l'élevage et vraiment toutes les dames qui sont au sein du gouvernement lors encore une fois la vision du chef de l'État ak que bi nga nous avons également 8 mars euh, vraiment première dame euh, limite social ni taxawoo ni ni taxawoo donc buma ma dellu seen nag ci imprimerie nationale bi nga xam ne ci carton suñu borom bi euh, fii laa nekk di remercier le chef de l'État ci bi depuis 2012 ma di ko sant di ko ma nommé à la tête de l'imprimerie nationale ku xam imprimerie aussi solo bi mu am ci Sénégal dafay wanewaat rek encore une fois confiance du président am ci jigéenu Sénégal ak gëdd bi mu leen jox ñun nag ni célébrer journée mondiale de la euh, femme fii au niveau de l'imprimerie euh, dañuy xool ban service la ñu rendre à la communauté année dernière moo nekkoon une première édition Nous avons defoon mooy au niveau des structures sanitaires yi nekk ci ci ci ci Rufisque ñu tànnoon ci ñaar euh, hôpital pour enfants bu Diamniadio ak district sanitaire bi nekk Rufisque de ñu defar moy defaral leen ay imprimé parce que ñëpp xam nañ ne hôpitaux dañ ci utiliser lu bëri ñu laaj leen ñu defaral ñu expression des besoins ndax aussi nit boo koy dimbali da nga koy dimbali ci li ko amal njëriñ buñ ñu ko joxee li nga xam ne ñun mën nañ leen ko defaral ñu defaral leen ko jour boobu ñu def délégation dem ca ñoom jëkkee ko hôpital pour enfants Diamniadio vraiment remettre leen des lots d'imprimés qu'on avait vraiment voulu euh, leur offrir pour accompagner leen seen mission bi ñu fa jugee ñu ñëw ci Rufisque ci district sanitaire bi def fa la même chose bi nous paree ñu dellu au niveau de l'imprimerie ci ben conférence bi nga xamee ne préfet bu monsieur Serigne Babacar Kane moom moo ko présidé woon ñu remercier encore pour sa disponibilité waxtaan ci vraiment le rôle de la femme au sein de l'entreprise Nous nekkoon un panel de très haut niveau c'est des professeurs qui qui avaient introduit le thème avec un religieux qui était aussi avec nous une journée vraiment très riche très colorée cette année nous avons réédité avec euh, toujours les mêmes actions les services à la communauté en choisissant cette fois c'est l'hôpital Youssou de Rufisque et la maternité d'Albas de Rufisque toujours. Ce qu'on a prévu, c'est que demain, à 10h30, la délégation d'Inadem dem euh, Youssou nous nous remettre Nous seen nous lots au niveau de la maternité d'Albas, je pense que nous sommes dans le quartier d'Angou à Rufisque maintenant quand on aura maintenant fini vraiment d'accompagner les structures sanitaires dans la réalisation de leur mission nous replier le soir au niveau de l'imprimerie pour tout nous biir sur l'évaluation suñu de manière très objective ci année bi ñu génn y dé xol maintenant euh, euh orientation yu bess lañu wara nous euh, définir mettre en œuvre pour vraiment mieux euh, répondre aux attentes du chef de l'État ce xolé moy fatali ko yo xamné daf may neex oui, on est encore une fois l'option, la, vision du chef de l'État par rapport à l'imprimerie nationale. Déjà en 2016, le 14 juin, euh, le chef de l'État, 2017 euh, autant pour moi, en Conseil des ministres, avait demandé euh, au Premier ministre d'engager un peu la restructuration de l'imprimerie nationale. Récemment, c'était le 30 janvier 2018 également, le président en conseil des ministres est revenu là-dessus en demandant à ce que l'imprimerie érige en établissement public à caractère euh, industriel et commercial. Donc nous nous sommes dit, nous au niveau de l'imprimerie, on ne va pas être en reste, euh, on va anticiper comme nous l'avions, nous avons l'habitude de le faire, euh, avec la gestion axée sur les résultats euh, nous avons été vraiment capacités l'année dernière par un consultant qui avait été euh, mis à notre disposition par la prémature. Et en prévision maintenant du changement de statut, nous nous sommes dit qu'il valait mieux qu'à l'interne, vraiment sans folklore, on puisse se voir, échanger euh, vraiment sur ce qui attend l'imprimerie et quelles doivent être vraiment les dispositions qui doivent être prises pour que ce soit couronné de succès avec les ressources humaines de qualité qu'il faudrait avoir, échanger sur le renforcement, la modernisation de l'équipement et développer également la fonction commerciale qui permettra de générer des ressources qui seront réutilisées vraiment pour euh, le développement, le fonctionnement, la maintenance et la pérennisation de la mission de l'imprimerie nationale. Donc, euh, nous avons voulu vraiment cette année lui donner un cachet particulier en continuant le service à la communauté, mais à l'interne, vraiment nous préparer au bon qualitatif que le chef de l'État voudrait que l'imprimerie nationale fasse. Et cette réflexion, personne ne doit la euh, faire à notre place. Donc, en tout cas, c'est ce que nous avons prévu.